tous ceux qui ont besoin d'entendre ça. You are worthy of things that you have in your life. I am worth it. Je mérite les choses bien qui se passent dans ma vie. Je mérite les opportunités que j'ai. Je mérite les bonnes personnes qui sont dans ma vie, les personnes bienveillantes qui me veulent du bien. Je mérite l'abondance qu'il y a dans ma vie. Je mérite la stabilité que j'ai, qu'elle soit financière, euh, morale, qu'elle soit euh, matérielle, immatérielle, qu'importe. Je mérite la qualité des relations qu'il y a dans ma vie. Je mérite ce qui se trouve sur mon chemin et qui est bien. sûr qu'à la fin de la journée, je vais donner ce crédit à Dieu. Bien sûr que je vais donner ce crédit-là à, à, <laughs> à l'être qui, qui fait miséricorde <laughs> sur moi et qui me donne. Mais je ne vais pas m'en vouloir de prendre. Je ne vais pas m'en vouloir de, de, de, de, reconnaître ce que Dieu a mis dans ma vie, que ce soit les personnes qui m'aident à atteindre les objectifs, que ce soit les opportunités qui m'aident à, mieux me, me centrer, à qui m'aide à, à, à, mieux rendre le chemin agréable. Et je ne vais pas m'en vouloir pour ça et au contraire, je demande à Dieu de me donner la force de reconnaître ces choses et de me donner le, à juste reconnaître qu'il y a ces choses-là dans ma vie et qu'elles sont facilitatrices. Et euh, je veux, je, veux, je veux, être encore plus présente et juste like worthy of taking things, you know. Apprendre les choses et me dire ok ça c'est une opportunité, je vais la saisir. À ne pas hésiter à dire les choses quand je le sens, à dire mes besoins, à dire que hey, this is what I need. Ok, and c'est de ça, genre en fait xam li nga bëgg xam li nga bëgg c'est important et le réclamer c'est important parce que boo ko deful kenn du ko def à ta place xam li nga bëgg yow yaa xam li nga bëgg yow yaa yow yaay dund su dund <laughs> du coup li nga bëgg moom danga ci war a am fulla nga ne ok this is what I want you know et il ne s'agit pas bien sûr de se servir des gens Mais parce que de toute façon, moi, ma prière, c'est que les poulons j'espère que de l'orken, j'espère que de moi l'or, j'espère que de l'orken tamit. Et du coup, tant que Mingi donne l'or amené, je peux en profiter sans que ça ne fasse du mal à l'autre, je ne devrais pas avoir honte de le réclamer. Et au contraire, je me dis que ça fait partie des miracles de Dieu, que Dieu a mis des gens sur mon, sur mon côté, sur mon chemin, pour qu'il fasse le relais, pour qu'il puisse m'aider à, à, atteindre mes objectifs. Et quand ça, ça arrive, I have to acknowledge it and really be here et me dire que ces personnes-là ne sont pas sur mon chemin pour rien et que peut-être que je prends d'eux, mais je leur ai aussi donné. Et que c'est un échange en fait. C'est un échange. J'échange sur mon énergie, sur le temps que Dieu me donne, sur beaucoup de choses, sur mes émotions, sur, moi en fait. Mais ça aussi c'est un investissement sur moi. Et c'est ça qui fait que whatever you do, tu le fais soit pour toi ou contre toi. Donc quand je fais les choses pour les autres et qu'en réalité je le fais pour moi, je ne devrais pas m'étonner que les répercussions soient positives dans ma vie en fait. et que I have to get used to things going on my side. C'est vrai que depuis assez longtemps, je me suis dit que, like, <laughs> c'est comme si um, les choses n'avaient pas le droit de, de, bien se passer, quoi. Il y avait toujours cette peur, cette incertitude, et là, je dois me réapproprier le fait que les choses puissent bien se passer et que je sois à l'aise avec ça, je sois à l'aise avec le fait que les choses marchent, que je sois à l'aise par rapport au fait que les choses <laughs> work in a certain way that allows me to, to enjoy my life, to enjoy and to attain my goals. <sighs> Quand les, quand les autres arrivent à à, leur, à leurs objectifs, on s'est dit waouh, ils l'ont mérité, ils ont, mérité, ils se sont tellement battus pour que ça se passe bien. Donc, je suis si content pour les autres. Mais quand est-ce qu'on se pose et qu'on se dit waouh, je suis contente que les choses sur lesquelles j'ai bossé, sur lesquelles j'ai mis mon énergie, mon temps, de mon être, se passe bien pour nous Quand est-ce qu'on se pose et qu'on est content pour nous Quand est-ce qu'on se pose et on se dit, wow, this is what I wanted and I, I fought for it. I am worthy of it. Quand est-ce qu'on se. Quand est-ce qu'on se pose et qu'on se dit que waouh, je mérite les choses bien qui m'arrivent, je mérite les, les, les bonnes choses qui m'arrivent, je mérite les opportunités qui sont là dans ma vie, je mérite, je mérite ce qu'il y a de bien en fait, je mérite les, les, les gens qui sont autour de moi. Bien sûr, moi, quand je dis ça, j'ai toujours un pincement dans le cœur qui me fait que, wow, M, chillax. <laughs> you need to chillax and you need to be like, okay, I'm just grateful for it and ne, ne pas me, me, me, me gorger d'orgueil, ne pas me gorger de, de, de choses, genre, like, do not take things for granted. Je le prends comme ça, mais je le prends aussi dans le sens où, like, ça peut être quelque chose that I might need to work on. Le fait de, de ne toujours pas être à 100% contente que les choses soient là et d'avoir même peur de, de, de d'être contente pour ces choses parce qu'on sait que waouh, de la même manière que c'est venu, c'est de la même manière là que ça peut partir ou que mangitia tout simplement bop ou que this is not good for me. Like, there is always that thing, genre qui te, qui te fait douter qui, ou qui te dit que ok, c'est juste beaucoup plus prudent de mettre euh, cette, euh, cette mérite entre les mains de Dieu, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord qu'on qu'on qu doit mettre euh, tout entre les mains de Dieu et qu'on se dit, waouh, ok, um, si cette chose est arrivée, ok, Dieu l'a voulu ainsi. Peut-être que ça nous dédouane de tout plein de choses, mais ça en dit sur moi et I, I didn't figure it out. Je sais juste que je mets tout entre les mains de Dieu, mais je pense que je dois aussi apprendre à juste être contente pour moi et me dire que si les choses arrivent, peut-être que je les ai méritées. <laughs> Even if it's, you know, two sides of the same thing. De la même manière, on pourrait se dire, ok, je mérite les trucs bien qui m'arrivent. De la même manière aussi, on peut se retrouver à dire que je mérite les, les choses mauvaises qui, qui m'arrivent. Et l'ironie du sort, c'est que quand quelque chose de mauvais m'arrive, je ne perds pas le temps de me dire que waouh, ok, <laughs> genre tu l'as bien cherché, <laughs> tu vois. Donc pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à me dire que quand une chose bien arrive, quand les gens dans ma vie are willing to make me feel good. Pourquoi je ne prends pas le temps de me dire que, like, tu l'as mérité dans le bon sens Pourquoi est-ce que je, je me hâte autant à, à donner du crédit aux autres, mais jamais à moi Ou en tout cas, en fait, je, je ne saurais le, le relier à l'humilité je ne saurais le relier à, à la peur. Je sais juste que c'est là et que pour le moment j'ai du mal à être contente que les choses se passent bien de mon côté. Je n'hésite pas à être grateful for the things that happen in my life, mais j'ai toujours du mal à, à les take for granted et à me dire que je, je les méritais dans le bon sens. Ça en dit sur l'estime que j'ai de moi, ça en dit sur euh, la perception que j'ai de moi aussi. Et peut-être de la prudence dont j'ai eu à, à, faire preuve depuis que je suis là, <laughs> depuis que j'existe, <laughs> ou en tout cas depuis que ça s'est formé en moi. Donc, euh, comme piste, je me dirais que des pistes de solutions, du coup, je me dirais que maybe je dois juste humblement faire preuve de reconnaissance envers ce que j'ai et savoir que de la même manière que je peux aider quelqu'un à atteindre son objectif, c'est de cette même manière-là que Dieu va mettre quelqu'un dans mon chemin qui m'aide à atteindre mes objectifs aussi. Parce que c'est une balance, c'est un cycle. keep in mind that everything you do, you do it for yourself or against you maybe. Vraiment le truc de yin et nick le borom fanan donc. Like, il n'y a pas une phrase aussi vraie que ça. <laughs> Et um, make sure that you have good intentions toward other people, but also and mostly toward you. Parce que je me dis que de la même manière que nous avons pour nous, c'est de cette même manière-là, ou même beaucoup plus, que dañu am àq pour suñu bopp et je veux vraiment être là pour moi je veux vraiment être source de d'espoir je veux être source de bienveillance envers moi-même et um, yeah I really want to get excited about me and everything I do et euh, je pense que ça m'aiderait à à mieux situer où j'en suis et à pouvoir réclamer les choses qui sont importantes pour moi. Parce que si je ne les réclame pas, qui va les faire Personne d'autre que moi et Dieu ne sait exactement ce qu'il y a dans mon cœur et ce que je veux vraiment accomplir. Donc si moi-même je ne suis pas avocate de ce que je veux, si moi-même je ne suis pas avocate de... If I'm not willing to do things that matter for me, qui va les faire à ma place Personne. <laughs> so, à ceux qui m'écoutent, don't feel ashamed of the things that you want. Keep in mind that you you have to put like the efforts or the intention, the good intentions, um, like in order to get what you need may à la fin de la journée. Be grateful. Cultivate merit. Ouais. Cultive le fait d'avoir du mérite envers ce ce que tu fais, envers ce que tu as. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent. Je mérite de, prendre conscience que je fais du bien. Et euh, ça peut être source de motivation pour encore mieux faire. So yeah, um, je prie pour de la bienveillance, je prie pour avoir de la bienveillance envers moi-même et à réclamer ce qui, ce qui est bien, tout simplement. Et à laisser Dieu me donner ce qu'il a de mieux pour moi, mais aussi à savoir moi-même ce qui pourrait être le mieux pour moi et prier Dieu que pour que je puisse demander ce qui est le mieux pour moi. <laughs> ça fait une spirale assez euh, complexe <laughs> et qu'il faudrait moi-même que je me que je m'entende parler pour euh, mieux connaître ce que je veux vraiment dire là. Mais en tout cas, I just pray for the best. Et euh, voilà.